Ahmadoul Khadim de a ouvert officiellement ses portes le 16 mai 2022. Mais il faut rappeler que depuis son inauguration, le 18 septembre 2021, par le chef de l'État Macky en présence du calife général des Mourides, le directeur de l'hôpital, Dr Souran, a tenu à mettre en place une équipe médicale qualifiée, formée sur ce matériel dernière génération et sur la maintenance un service de maintenance locale pour plus d'efficacité. On a vu quand même euh, au niveau de, la structure des équipements de qualité, donc euh, aussi de la, de la nouvelle génération, donc un équipement de dernière génération qui, ces équipements maintenant vont participer à, à la qualité des soins donc, euh, au niveau de la population. Donc, euh, et aussi, ce sont des équipements qu'on trouvait souvent à Dakar et à Thiès, mais maintenant, Alhamdulillah, ici, on va euh, arrêter ou bien diminuer les évacuations vers Dakar. Inch'Allah, on va gérer ces équipements parce que j'ai, mine de rien, j'ai fait 15 ans de, d'expérience, 15 ans d'activité. Donc euh, durant ces 15 ans de service, j'ai eu à faire euh, des voyages à l'étranger. Euh, comme en Inde où j'ai effectué encore une formation de deux mois sur la maintenance, la calibration et la réparation des équipements de laboratoire. Donc, à part, à, part, la formation en, en Inde aussi, j'ai eu aussi à effectuer une formation au Japon concernant aussi la maintenance euh, préventive et curative des équipements biomédicaux, euh, touchant l'imagerie médicale, touchant euh, le aussi le, laboratoire et les équipements d'exploration fonctionnelle. Et on a aussi reçu une formation de base, une bonne formation, euh, là où on forme les techniciens de maintenance biomédicale. Donc euh, parallèlement à ça, ici, euh, avec le fournisseur et les prestataires qui sont là, on a encore reçu une formation spécialisée sur ces équipements concernant la maintenance préventive, et éventuellement la maintenance corrective. Donc je pense que inshallah euh, tout ira très bien. Euh, on va gérer tout le matériel pour assurer sa pérennisation pendant des années. ce qui se passe aujourd'hui euh, dans pas mal d'hôpitaux, on parle souvent de formation, on parle souvent d'accueil, on parle souvent de l'arrogance. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de cet hôpital. Parce que dès le départ, euh, le directeur avait demandé, sur euh, instruction de l'autorité, de, de mettre sur place un schéma de formation. Et ce schéma de formation-là nous permet, aujourd'hui, il y a des, si vous allez au niveau du service des grands brûlés, le directeur a demandé que l'on forme, même s'il le faut à l'étranger, ceux qui doivent occuper de ce service-là. Parce que c'est des matériaux high-tech, il faut que ceux qui le gère, soit formé même par euh, les fournisseurs à l'étranger. Aujourd'hui, depuis le début de l'ouverture, après l'inauguration du président de la République, nous, depuis janvier, le décret avait demandé à ce que l'on forme tout le personnel. Tout le personnel euh, de l'hôpital médical comme paramédical ont été formés sur l'accueil, sur les 5S, sur Kaizen. Aujourd'hui, il est même en train de trouver une convention avec le bureau d'opération et de méthode pour former le personnel sur euh, l'éthique, sur la déontologie et sur le leadership. Parce que aussi, euh, il, il a pensé que les gens qui doivent être euh, au niveau de l'hôpital, on doit les former sur le leadership. C'est par là qu'ils comprendront que l'aspect de la, prise en charge des soins n'est pas tout simplement n'est pas tout simplement prise en charge, du moins ce n'est pas, pas tout simplement prise en charge, mais il y a aussi l'aspect euh, accueil, l'aspect orientation. Et vous l'avez noté depuis le début, vous avez vu qu'à l'entrée, nous, avons il a beaucoup misé sur l'accueil. Maintenant, si le personnel est formé, ce qui reste à faire, c'est tout simplement l'occupation de l'accueil du patient et faire de telle sorte que la prise en charge soit une prise en charge de qualité. l'hôpital, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. On ne peut pas regrouper du personnel seulement et leur demander de démarrer. je viens de le dire, les équipements, c'est des équipements de dernière génération. Il fallait donc former le personnel sur ces équipements. Vous, avez, vous pouvez avoir deux équipements qui font la même chose, mais de, de marques différentes. Et si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser une des marques, vous pouvez effectivement euh, endommagé endommager l'appareil. Et on ne voulait pas quand même euh, tâtonner. On a euh, suivi le processus de formation de manière scrupuleuse avec ce qui devait assurer cette formation-là. Il faut signaler que parmi ces formateurs, il y avait des gens qui devaient venir de l'étranger. Et donc, on est obligé de nous caler à leur calendrier il fallait également faire certains réglages au niveau de ces appareils et, peut-être même faire des tests. Et ça a pris du temps. On en a profité pour former le personnel sur euh, d'autres aspects qui sont liés un peu à l'accueil, euh, à, la gestion de l'environnement, à l'organisation des services. Et ça a permis un peu de, de, de raffermir les liens entre le, personnel, les médecins, les paramédicaux. Et aujourd'hui, il y a une dynamique, un mouvement d'ensemble qui, je suis sûr, peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Une journée de consultation gratuite a été organisée le 14 mai 2022 pour permettre aux médecins et paramédicaux de faire un test grandeur nature afin de détecter et corriger les insuffisances

waaye wax dëgg biñ ko joxe siro yi ma ko joxe yaram bi dafa daal di seet gis nga ko ni muy fo man nag man saa bopp man saa ordonnance ngi ni moom laay néeg nii sant rek man Faty Mbaye laa tudd ngi leen di ñaanal ak fan bu gudd gu wér rek moom lañ leen di ñaanal fekk ñu leen fi fekk ci jàmm ak salaam yàlla may ñu ak wér ak wér le barke Sëñ Fall sama doom bi laa fi def nga consultation def naa consultation ba pare waaw naka la fi demee waa fii moom macha allah mel nañu garab yi jox nañu sama bopp laa rangaatal nii waaw da ngay rangaat sa bopp la waaw pour dama doon xool demoon ci ma ba pare bindal ma ay garab waaw fii ma macha allah yàlla na jëm kanam. sëriñ bi lan moo tax nga ñëw fi man de li tax ma ñëw fi damay faju si ma dégg xéewal bi na ci biir dëkk bi daal moom laa gàttandu ji fas yéene ci ak jëriñu bu soobee di ñaanal Macky Sall yàlla na yàlla may ndam. ah consultation bi fi mu rafet rek. ñu am am nañ yar am nañu teggin jàppale nañu ñëpp rek ci li ma gis. waaye tamit papi lan moo la fi indi. kii mu fi nii damay faju mayit waaw. noo gisee consultation yi ak organisation bi. organisation bi de wax dëgg yàlla am na solo lool wax dëgg yàlla ñu fi nekk daal jàppale nañu malade yi ba kenn ku nekk fi ñu war a dem fépp yóbbu nañ la fa yal na yàlla defal leen jàmm ah ki ki nga xam ne mooy borom réew mi nga xam ne moo tabax lii yal na ko yàlla jàppale. jàppale ñëpp bi jaay Université Touba ak ñi nga xam ne yéen fi nekk yàlla na yàlla jàppale leen te mu sedd guy. yaakaar fi wér gu yaram daal di fa bu ñëw fi. noo gisee yëf yi tey. xanaa nag sunu sedd guy rek di ñaan ngeen yàgg fi te wér ci barke Seex Muntaxa Sëñ Basiru liggéey bi yàlla barkeel ko tan fekke ko datal ko ndax ku fi gis ku fi dikk tey sa xel dal na am nañ ci yaakaar bu baax yal na yàlla guddal seenu fan boole bokk fi yàgg fi Touba ci leex Seex Muntaxa Sëñ Basiru bëgg rek parce que nag jeena ba vraiment lii euh, képp ku dëkk Touba rek sa mbégte la ndax bijou bu toll nii nga xam ne vraiment danga daan tukki rek gis ko boo ñëwee ba indilee ko sa dëkk tey amatoo dara loo wax lu may sant yàlla julli ci yonent bi te Cheikhul Khadim euh, mérité na lu nekk dëkkam bi aussi mérité na lu nekk kon bu ñu indilee bijou bu toll nii mooy li ma doon wax sànq rek il faut que ñun tamit ñu yar suñu bopp dawal civisme ma bañ a naan baña takal taqal baña sareti bañ def yenn yu bari parce que li ken momuko France français yee ko defar Amérique américain yee ko defar kon ñun sénégalais ñoo wara a defar Sénégal en commençant ko nak par Bijou bi nga xam mom lañ am parce que hôpital bi boko xolé amul ci sous région bi fenn fi rek la am président de la république ñukoy gëreum encore une fois mo def ci 36 milliards vraiment affaire problème santé daf ko régler ci Touba ndax xam nga né magal bi ñuy am nga xam ne ay millions de personnes ñoo ci ñëw

moo ko def ba muy ndaamaatu ba mu mel ne mu mel ndax ndaamaatu nam commencé woon ay pees yu ndaw yu bariwul moo fa nekkoon tey jii boo fa duggee doo ko xàmmee moo gën a set docteur yi médecin yi fa nekk ressources humaines bi yëpp sax laay wax di ressources humaines bu qualité ah donc te la nekkoon ndaamaatu moom moo ko fa defoon defe naa looloo daf koy yokk mais du ko wàññi kon defe naa fii moom booy boo ñu am ci xel mu dal te xam dinañ dem ba waxuma la Sénégal mais sous région bi sax ku amati problème santé fi ngay ñëw pour régler ko. alors comment s'est passée votre journée aujourd'hui en fait euh, ça se passe de manière succincte vraiment euh, on a eu beaucoup de patients et beaucoup de euh, et, beaucoup de pathologies ont, été vues ici répertoriées et euh, on espère que la prise en charge qu'on va faire euh, va, satisfaire aux patients. Euh, parce que toutes ces il y a des pathologies qui sont d'ordre aigu, il y a des pathologies qui nécessitent des suivis et des radiographies euh, beaucoup plus pointues pour pouvoir poser le diagnostic de ces maladies et les suivre tout au long. Ça nous permet déjà de pouvoir répertorier les pathologies les plus fréquentes dans la zone et euh, aussi ça nous euh, qui permet de lancer les activités de, l'hôpital. Cette journée, euh, ça, ça, offre aux patients la possibilité de se faire consulter par, par tous les spécialistes. on a ici presque l'ensemble des spécialistes qui sont présents tout au long de la journée et que ce patient peut, bénéficier euh, de l'ensemble de cette, expertise. Donc, euh, on trouve cette journée très, très euh, intéressante, surtout pour le début d'activité de cet hôpital. Ce qu'on désire le plus, hormis euh, la localité où, on est, ce qu'on désire le plus, c'est de pouvoir vulgariser euh, la médecine, euh, surtout essayer et faire le maximum pour développer les nouvelles techniques chirurgicales, surtout d'endoscopie de, de ce domaine, et que tout bas en souffrait parce que les patients quittaient Touba pour partir à Dakar ou bien à Thiès se faire consulter, se faire opérer. Et là, ils ont la possibilité euh, de eh, d'être pris en charge en totalité ici au niveau de Touba et qu'on espère que la tendance sera renversée, que les gens de Dakar vont venir se faire suivre, ici au niveau de l'hôpital chez Khalim de Touba. Parce qu'on a vraiment un plateau médical qui nous permet de faire euh, l'ensemble des traitements soxna ya? si na nga def maa ngi fi noo tudd Fatou Kanté waaw lan moo tax nga ñëw fii ba di metti waaw léegi noo gisee consultation bi bagage yi accueillir nan ma compagnie nan ma sama xol J'ai un parcours atypique parce que après ma médecine à Dakar, j'ai fait le centre hospitalier national de l'IOTA de Bamako, qui est le centre hospitalier de référence en Afrique de l'Ouest en matière d'ophtalmologie. Donc juste après ça, en 2000... 2018, on va dire, en fin 2018. J'ai fini en décembre 2018. Donc, j'ai été cooptée dans l'équipe de directeur Souran au niveau de namato euh, pour ouvrir le service ophtalmologique de Ndamatou. Donc, euh, je suis là-bas depuis mars 2019. Et juste après ça, euh, il m'a demandé, il m'a sollicité pour venir ouvrir le service ophtalmologique de l'hôpital Cheikh Ahmadul Khatib vous avez accepté de venir ici sans problème oh, oui, j'ai accepté de venir ici sans problème. C'est parce que ça a été un plaisir de travailler avec lui au niveau de Ndamato. C'est un manager euh, assez soft. Il, euh, il, est très, il est très ouvert pour son personnel. Donc, euh, il, il est accueillant, il, il aime la qualité, il n'est pas stressant particulièrement et surtout il, il demande des résultats. Et donc euh, il, il veut tout le temps que les gens fassent le maximum pour que ces services soient, hum, soient de qualité. L'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim étant un hôpital euh, qui quand même a, énormément de potentiel, énormément de matériel et un hôpital à challenger. Nous avons déjà une lampe à fond de pointe, nous avons un réfractomètre automatique de pointe, nous avons un champ visuel octopus, nous avons un enjeu un rétinographe, euh, nous avons un bloc opératoire fonctionnel dans le service même, nous avons des salles d'hospitalisation eh bien oui, nous pouvons dire que nous avons quand même euh, l'un des services ophtalmo les mieux dotés. Un hôpital avec beaucoup d'avenir et euh, donc euh, voilà quoi, c'est un plaisir d'y travailler et surtout on nous sentons que nous, avons beaucoup de choses à faire et nous avons le plaisir d'essayer de relever ce défi-là, de faire de ce service l'un des services les plus hauts de, plus haut niveau au niveau du Sénégal. Et que représente aujourd'hui pour vous cette journée de consultation gratuite euh, ça nous permet surtout d'évaluer les besoins de la population de Touba. Ça nous a montré également que, que, que la population est là, qu'elle a besoin de nous, qu'elle a besoin d'être accueillie, qu'elle a besoin d'être accompagnée, que elle avait besoin de ce service ophtalmologie. Vous avez vu euh, déjà au niveau de la consultation, nous avons commencé à 8 h du matin. Nous devions arrêter à 16 h Jusqu'à 18 h nous sommes toujours là. Ça veut dire que le besoin est là et notre salle d'attente, elle est pleine. Nous avons euh, organisé ce jour une, journée de consultation gratuite euh, pour aider aussi les populations à découvrir d'abord l'hôpital, mais à bénéficier de soins euh, gratuits, de médicaments gratuits. Euh, en termes d'objectifs, je pense que nous avons largement dépassé nos objectifs euh, parce que vous avez vu ce qui s'est passé ce matin. Il y a eu beaucoup de monde. L'affluence a même dépassé nos attentes. On était à un certain moment très inquiets de l'affluence et des bousculades et tout donc, euh, mais finalement, tout s'est bien passé. On a euh, vu tout le monde. Nous avons voulu effectivement, pour un premier jour, euh, aider les populations de bas et des, zones environnantes. parce que c'est vrai que 85% des, populations qui, qui sont venues pour les consultations gratuites venaient de bas et les 15% ailleurs des alentours de Touba. Et on a pu voir 1000, 1000 ah, euh, patients, 1001 hein, patients. C'est quand même euh, pas chose facile. Euh, c'est parce qu'on a eu beaucoup de boxes de consultation et certains services de spécialité aussi ont fonctionné, comme effectivement la radiologie, où ils ont eu à bénéficier effectivement de quelques clichés l'ophtalmologie également, l'urologie, euh, la pédiatrie, la gynéco. Donc, vraiment, je pense que ça a été. C'était pour moi une expérience grandeur nature. Donc, cette journée porte ouverte nous a permis de montrer aux populations ce qui existait à Touba, de leur faire comprendre qu'ils étaient un peu euh, euh, dans une situation qui peut leur permettre, en tout cas, de de se faire prendre en charge euh, correctement à Touba sans avoir à se déplacer pour aller ni pour des radios ni pour d'autres analyses euh, rester à Touba. Vous parlez de Moustapha Soin parce que euh, dañoo Nekben ben docteur rarement la kay wax su ma rek wax docteur il est venu à Ndam en tant que stagiaire étudiant il a vu le système de travail, il a vu le fonctionnement. Quand il est revenu, quand il est revenu à Touba officiellement, il savait déjà tout ce qui se passait dans Touba. Le marabout lui-même lui a proposé, donner, je ne dis même pas proposer, moi donner un logement. Il l'a décliné. Il dit que ce que j'ai vu ici, il faut que je vive dans l'hôpital, même si c'est une salle de garde. Bien qu'il y avait un logement dans l'hôpital, il faut que je reste dans l'hôpital pour essayer de rectifier tout ce que je dois faire et de faire fonctionner le service en plein temps. Ça, il ne s'est pas arrêté là. Il a proposé un véhicule. Il lui a dit que nous ça, ça, je le dis en Wolof. Demain, on aura autre chose. Nous voulons que ta bénédiction. Quand en va faire il dafa jaaban dafa jaayante loolu si, si si si si si Et là, il a continué il est rouvré. il est serré dans son travail il est organisé il est méthodique s'il y a déjà un plateau où tu peux trouver la plupart je ne peux pas du tout la plupart de notre mesure mais c'est extraordinaire. On ne demandait que ça. Mm-hmm. L'essentiel est que, la population aussi comprenne que un hôpital comme ça, ce n'est pas un premier palier. Il faut commencer, sur on village à la case, sur on un autre village au poste de santé, sur on est où on santé, un centre de santé, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à venir dans cet hôpital-là. À ce moment-là, tout ira sous des rails. Moi, parce que j'ai confiance en, et je sais qu'il ne collabore qu'avec des gens compétents. Nous sommes bu faire rek di leen ñaax nous hôpital def fi équipement bi mu a def fi personnel bi nga a des moy ah, ñi nek ci dëkk bi valeur hôpital bi ñun ñoko mëna valoriser moy ki nga xamni dafa yor bi metti na ci poste de santé ba la dem wala cash bu waree jaar ca centre ba mu xam ne fa la war a dem buñ ko waree évacuer nag indi ko ci hopital bi mu xam ne fii la war a jëm waaye nag yore bopp buy metti jëlub taxi ñëw ci hopital boo xam ne dañuy évacuer di fa indi loolu nag ñëw ngi ci dénk askan wi ñu xam ne fii fu ñu waajal la nga xam ni amoon nañu problème mooy hôpital Matlaboul ni gis nga ko ni mu saturé mais bu ñu daan masaan di évacuer am na yenn scanner yoo xam ne Thiès lañ ko daan defe ji war a Dakar loolu nag léegi am nañu taw féexi bi ñu duggee fii bari na ay salle yoo xam ni ay ay laboratoire yoo xam ni danañu opérer am na salle de dialyse am na yëpp kon nag loolu nu gën a xam ne itam président de la république jël na cër bu rëy a rëy jox ko waa Touba di ñaaxaat itam personnel bi euh, rawatina nag di ñaanal docteur Soura mi nga xam ne moo ko jiite xam nañ ne nag lii day du sens ci moom mérite la ci moom ndax daal liggéeyal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke ba làq ngërëmam. Euh, fa ka xanaa sant yàlla rek sant ñi ko fi def. Euh, di ñaan yàlla it ñiñ ko teg seen loxo ñu sàmm ko entretenir ko man ni mu mel tey buñ demoon ay diisaat muy mel noonu ndax am jumtukaay yu baax baax na lool waaye toppatoo ko ba mu mel na war a mel personnel bi fi nekk itam di bu laabiir bu baax boo xam ne dana liggéey ngir sëriñ bi waaye dana liggéey ngir islam dana liggéey ngir conscience su boppam ko kon loolu rek lañuy ñuy ñaan mu am fi te jort nañ ne dana fi am ndax sëñ tubaab buy ñaan li muy ñaan lépp daf koy jëmee ci bindi fi yëpp rek irham jamiyal wara lay lay wax yow sunu borom na nga yërëm bindi fi te dimbale leen te tawféexal leen te faj aajo yi loolu mooy li muy ñaan lii nag ci aajo ju faju la kon fa tabaarakallaahu ñu ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm bu baax di sant nag RTS ndax RTS nag jàmbaar la li muy def ci liggéey bi bari na lool tubaarkalla kon nag lu am solo la yal na yàlla dolli ko te jame ko kanam bu baax baax ba liñ fi yéene lépp ñu mën koo am ñu ngi sant yàlla di gërëm ñëpp di sant xalif général de Mouride tam nag ci taxawaayam ak yitteem ak yëgam bi ñu ubbi fii moom moo fi ñëw tànkam fu ne mu taxaw fa ba xam lépp doog a dem toog kon yàlla ko yàlla yàggal. hôpital bi fii ñu ko def ci li sëñ Tuubaa séddee suñ bàkkum ci la bokk ci suufu suñ bàkkum sa la ak ak nekkam. suñ mbàkke la bàyyee gannaawam bi suñ mbàkke la bàyyee gannaaw ba gannaaw suñ mbàkke moo ko taxaw ba kon nag bu ñuy def ci ci Touba suñ mbàkke su war na saa jiitu wutal naa leen ñaan koo xam ne gii nañ ko def ci koñ yi ak digg bi jàmm rek fay xew ñu sëñ Touba amee ndam ci gaay yi yàlla yi hôpital bi ñu lay amee ndam ci hôpital yëpp